Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 21 du dimanche 22 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu ce jour les examens virologiques, les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 85 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas importés, 5 cas contacts suivis par nos services. À ce jour, 67 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris et 62 encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Touba et Dakar est stable le ministre de la Santé et de l'Action sociale adresse ses vives félicitations et ses encouragements au personnel de santé du secteur public comme du secteur privé qui est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle encore une fois les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective Manglen communiqué bi nga communiqué 22 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat et test yi si 85 tests 11, ñu def 11 nous sont positif 11 manam fukk ak Durant ci ak ben yi ben yi ay cas importé yi ay cas contact yo xamné suñu service yi ñu ngi leen doon suivre bu ñu ci Sénégal amna 67 cas yo xam déclaré nañ len positif ci 67 cas yooyu djuroom tané nañ ci ba génn 62 ño nek ci structure hospitalière yi ñu len di fajj ba léegi ñooñu nek ci structure hospitalière muy Touba ak Dakar sen wergu yaram mu ngi jëm kanam ministre bi yoré war action sociale mo ngi féliciter di encourager personnel de santé bi nga xamné mo ci première ligne ci la Covid-19 mo ngi doli di ñaax askan wi ñu continuer di wëyel top nga xamné jox nañ leen ko ci prévention individuelle ak collective maa leen di gërëm di leen sant wasalaam maa jox kaddu gi docteur Abdoulaye Bousso ndax mu ñëwaat ci suivi ka yi nga xam moy cas contact yi ak ni ñuy def fi mu jamono yi ñu toll ci walum xex Covid 19 docteur Bousso vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Euh, donc, je m'en vais vous faire le point un peu par rapport à la situation épidémiologique sur les 67 cas positifs dont a parlé M. le DC. Donc, les 5 guéris, nous avons 62 actuellement qui sont sous traitement. Et ce qu'on peut dire, c'est que les cas sont répartis dans 5 régions aujourd'hui. La région de Dakar, la région de Thiès, principalement à Hambourg, la région de Djourbel à Touba, la région de Saint-Louis et la région de Ziguinchor. Donc, c'est les différentes régions dans lesquels aujourd'hui nous avons des cas positifs. Je peux aussi ajouter que nous avons suivi plus de, actuellement nous suivons plus de 1000 contacts. Et 969 contacts sont déjà sortis de notre suivi. Donc il s'agit des personnes contacts qui étaient liées aux quatre premiers patients que nous avons eus. Donc tous ces contacts sont sortis du suivi. Et par la grâce de Dieu, aucun de ces contacts n'a été euh, contaminé secondairement. Donc c'est un élément important dans le suivi des contacts. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 1000 personnes qui sont en train d'être suivies. Et les cas nouveaux aujourd'hui, les investigations sont en cours et ces personnes aussi seront suivies dans le cadre euh, du suivi des contacts. Il est quand même à noter que certains contacts, en tout cas sur les derniers cas que nous avons eus, certains contacts ont eu à être contaminés. Donc à chaque fois qu'on présente les nouveaux cas, il y a quand même des, essentiellement des parents proches des personnes jugées euh, qui ont été testées positives. En termes de prise en charge, aujourd'hui nous avons euh, trois sites de prise en charge. Maintenant nous en avons au niveau de Dakar, c'est toujours le service des maladies infectieuses de FAN, l'extension de l'hôpital de, de et nous avons le centre de Touba. Et aujourd'hui, nous avons un quatrième qui est le centre hospitalier régional de Ziguinchor. Donc, le patient qui a été testé positif à Ziguinchor est actuellement pris en charge au niveau du centre hospitalier de Ziguinchor. Et nous avons en perspective également d'augmenter la capacité de prise en charge au niveau de Saint-Louis. Donc, Saint-Louis, euh, même si le cas a eu lieu euh, et a été transféré à Dakar, nous prévoyons d'ici la semaine prochaine de mettre à niveau au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis, un centre de traitement qui pourra accueillir les patients. Également au niveau de Kaolac, le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Kaolac. Euh, au niveau de Thiès, actuellement, la structure de santé où, ont été, où été où ont été diagnostiqués les cas de Thiès va servir également de centre de traitement. Donc nous allons appliquer la même stratégie que nous avons eu à appliquer au niveau du Touba en utilisant un centre de santé qui a déjà eu à recevoir des patients. Autre perspective de centre de prise en charge, c'est une structure privée donc, qui a été donnée au ministère de la Santé par un de nos confrères pour pouvoir aussi servir de site de prise en charge, c'est dans la région de, Dakar. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même cinq régions qui sont touchées. Donc on peut valablement dire que le virus quand même est au niveau du pays. Et ça amène à la prise de conscience des populations dans le respect des règles qui ont été édictées Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie, ce n'est pas des mesures médicales qui vont mettre fin à l'épidémie. Donc toute la stratégie médicale a été mise en œuvre sous les instructions de M. le ministre de la Santé avec la mise en place des centres de traitement. Nous avons la chance jusqu'à aujourd'hui que les patients qui sont dans nos centres sont dans un bon état général et se portent mieux avec une perspective de guérison dans les jours à venir. Nous n'avons pas encore de cas graves, mais il est important que les mesures soient respectées. Parce qu'aujourd'hui, au vu du profil épidémiologique, il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait encore de nouveaux cas. Parce que les mesures qui ont été prises de, limitation des mouvements, de fermeture de l'aéroport, ces effets, nous allons les voir que d'ici une quinzaine de jours. Parce qu'il faut noter que les personnes qui sont déjà rentrées sur le territoire, en appliquant la, règle de l'incubation de cette maladie, donc auront jusqu'à 14 jours pour pouvoir voir leur maladie euh, ressortir ou non. Donc sur les deux semaines à venir, il faudra s'attendre effectivement à ce qu'il y ait de nouveaux cas au niveau de la région. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble des structures de santé sont aujourd'hui mobilisées. Les capacités de prise en charge sont en train d'être développées, accentuées, renforcées. Et comme on le voit aujourd'hui, même les régions ont la capacité de pouvoir prendre en charge des patients. Donc l'ensemble des équipements de protection ont été mis à disposition de ces, euh, de ces services. donc pour voir qui a une épidémie actuellement euh, comme Nico, monsieur le directeur de cabinet waxee am un de ak un ñaar de xam ne am nañ ko ñaar juróom yi un nañu de nañ ak ñaar yo hamne ñi centre de traitement yi actuellement ñi ngi leen di hôpital FAN, ñi ngi leen di fajee ci Touba ñi leen di

ñeenti malade yi nga xam ne moom lañ jëkk am ñooñu gis nañ ni ba su 14 jours yi bi mu jàllee kenn amu ci feebar bi donc ñu si sant yàlla ci loolu maintenant nag am nañ lu ëpp junni loo xam ne ñu ngi leen di topp pour xool et normalement fii ak fukki fan ak euh, ñeent dañu mën a xam est-ce que dinañu am feebar wala duñu ko am mais li ci am mooy ñu am su ñu amee euh, cas yu bees parce que fi mu nekk nii contact yooyu nga xam ne dañu nekk contact à risque. ñoo xam ne mun nañu am feebar bi te li aussi li am ci mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko ci tëj frontières yi pour ñu gis li nga xam ne moom lay indi il foog ñu am ay fan donc dina am au moins ñaari semaine ar yu bés yoo xam ne si nañu mun a gis effet bi nga xam ne moom la am parce que ñi dugg déjà ci dëkk bi ñooñu am nañ fukki fan ak ñeent pour seen feebar mën a génn donc bu ñu jàppee ni bi ñu ko tëjee barki démb la donc il faut ñu xaaraat tuuti donc bu ñu am jaxle su fekkee am na cas yu bees li ci am solo mooy Euh, ministre de la santé Jochen na en tout cas service de santé personnel de santé bi nous avons ngi euh, aussi capacité pour prise en charge pour donc pour que région yi en tout cas nous avons capacité pour donc nous donc nous avons vraiment que nous bi mi ngi ci il faut nous